un modèle économique cohérent nous nous développer Réo. nous devons produire pas pour assurer l'autovisance, mais assurer cette autovisance pour tendre vers l'exportation ce qui tax a développer il faut un leadership fort mais éclairé et pour la bonne cause sëñ bi boo xëyee lekkoo mburu dafa lay wàññi farine mburu à base de pain. Hmm. farine à euh, mburu à base de mil. Hmm. ITA def nako, pourquoi duñ ko explorer li produire ci réew mi yëpp di bon lekk. Hmm. boo demoon ITA da ngay am kersa. La nga naan def nañu recherche pour que à partir des produits locaux nous ñu am ñu menons assurer suñu autosuffisance su mais l'eau lip c'est dans les tiroirs. Si le président li moi def mooy man tay buma amone luma koy xelal. moy c'est le moment de prendre les bonnes décisions. farine damay tambali ni ken d'autre ko importer. nañu mettre à profit le mil defal mburu de mburu maïs. c'est pour la bonne cause. liñu exporter dootul dem. ceeb li ci président de def ci khalis ceeb ba nous n'arrivons pas à être autosuffisants. ça prouve que quelque part il y a un grain de sable dans la machine. C'est bien de mettre en place des projets, mais il faudrait avoir du recul, évaluer l'impact l'impact impact bi bi am économie euh, légumes sont Tay dama am bi ma importation de légumes à partir de la France alors que nous, les trois quarts des terres que l'on a mhm. aujourd'hui quel modèle agricole on a les exploitations y fruits et légumes ca fi c'est des étrangers. Mhm. nous avons ñëw ñu 1000 hectares 2000 hectares ngay bay di jaay di exporter ji bitim réew. Mhm. de de, tes profits. Mhm. duun nga bàyyi les rebuts. c'est moo tax ñu war penser ban modèle économique nous avons besoin am un modèle économique qui est ci importation lay dund. wala dañoo bëgg un modèle économique qui est partir de ses richesses pour amoindrir les importations et tendre vers l'exportation. Ce il faut interpeller tous les chefs d'État africains.